abotan sauraron shirin mu haɗa fada barkanku da war haka barkam da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai ƙayatar da ku wanda yau ni Fanta Shamsu zani gabatar. Aujourd'hui dans votre émission tout ça la fada nous allons évoquer le sujet de la pression sociale sur les jeunes célibataires pour le mariage et voir comment ces derniers vivent cette situation. Il est connu de tout le monde dans la société nigérienne de ka kai wasu 'yan shekaru baka yi aure ba za a fara sanya maka ido sai son dai tu te maries quand t'attends quoi pour te marier tous tes amis sont mariés mariée, il y a que toi qui traînes, qui kike yi, eh, plein d'autres interrogations qui peuvent mettre mal à l'aise. Tana yi wa ma masu yin zancen ba da wani nufi suke yi ba mai kamman abin yana iya shafar mutum. Wannan shi yasa yau muka karkata akalar shirin namu akan wannan zancen za mu ji ne matasa ke ji idan ana matsa musu akan wannan lamarin. Me yasa ake matsa musu kuma su waye ke matsa musu? Kamar da kuka sani yan uwa matasa, tout ça la fada c'est 35 minutes de change, de musique, de chronique et de rubrique. masu masauraran mu yau mun bashe kolin fadar tamu ne a nan cikin filin studio kalangu inda muke tattaunawa akan jigon namu na yau wato yadda ake matsa ma matasa akan aure kuma yau muna tare da manyan baki a fadar tamu zani ba su dama kowane gabatar da kashi zan fara da damata farida mun kai la journalist Radio Wadata. To, d'abord, barka da zuwa cikin fadar tamu. Eh, Fatima Lemiaro, journaliste. Farida Hassan Sunna. Sherifa Yahuza, journaliste également. Mohamed Fredo, technicien. Ok, bienvenue dans notre fada. Donc je vais aller directement avec les questions. Fredo est le seul garçon, je vais commencer avec lui. Fredo tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu bon, bai kamata ba matsa ma mutum parce que mutanen da suke neman su matsa ma mutum don ya ta yi aure ba san ba ko me ne ke tsaida shi ba. kuma aure dai yadda ake kyawa kuma yadda mummuwa mun ka sani aure lokaci ne kaman <clears throat> komi komi gaugawa da kake yi kwa in lokacin arman bai zo ba ga kanan kana da kudi kana da ma yarinya kana da komi da komi ba bai mayuwa ne sai in lokacin da an ka kaddarta ya zo sannan ku yi auren ku kwa kaddara ne. <laughs> To bari in jiyo gare ki Fati. Fati la question ici c'est doit-on mettre la pression sur une personne pour qu'elle se marie? vraiment, on ne doit pas mettre la pression sur une personne pour qu'elle se marie. C'est comme il l'a dit, on ne sait pas ce qui retarde la personne afin qu'elle se marie. Peut-être tu n'es pas prêt, tu n'as pas les moyens, tu n'es pas stabilisé. Et si tout cela n'est pas là, comment tu peux te marier Donc vraiment, on doit vraiment se stabiliser, avoir le bon partenaire pour se marier. Parce que le mariage, là, c'est toute une éternité. Et il faut avoir vraiment un bon prétendant avec qui vivre et également aux hommes. Il faut vraiment avoir une fille avec qui tu, tu, tu, vas faire ta vie. Avec euh, qui tu es sûr que tu veux peux vivre. Parce que c'est une question de toute une vie. Ah, vraiment, c'est une question de toute une vie jusqu'à la fin de nos jours. Donc vraiment, il faut avoir des bons partenaires avec qui tu peux te comprendre vraiment. C'est gare a wai ya kamata matsa mutum don ya aure bai kamata ba don saboda wata rana kana kai kanka a mahallaka wannan tu fais le mauvais choix et puis voilà tu choisis en quelque sorte ton enfer quoi tu vis en enfer personne ne le saura voyons un peu Farida donc on a une Farida sage-femme et une Farida journaliste <laughs> Farida la journaliste Farida toi à ton avis est-ce qu'on doit mettre la pression à une personne pour qu'elle se marie non on ne doit pas mettre la pression à une personne pour qu'elle se marie parce que le mariage comme elle vient de le dire tout à l'heure, c'est pour toute la vie. Si tu te maries, c'est pour le meilleur ou pour le pire, comme il dit. Et d'une, par exemple, on met la pression sur une fille. Deux ans, un an, deux ans après, elle divorce. Elle sera traumatisée. Les, sa vie ne sera plus comme avant. Ses études seront, je ne sais pas, perturbées. Ah, elle sera en retard. Tous ses amis, Brakul tout ça là. Et puis, et il y a, y a, la maison, quand est-ce que tu vas te marier, machin, machin. Tout ce truc-là. La pression en La pression, il ne faut pas mettre la pression sur une personne parce que le mariage, comment, euh, comment vous dites là, mutuane. <laughs> Quand ça vient, ça vient. Quand ça vient pas, ça vient pas. C'est pas à faire de pression qui va amener le mariage. Exactement c'est Farida, la sage-femme. À ton avis, est-ce qu'on doit mettre la pression sur une personne pour qu'elle se marie euh, Non, non, vraiment. Parce que moi, je me demande des fois, c'est qui nous mettent la pression pour, qu'on se marie, là, est-ce qu'on les a mis la pression pour qu'ils se marient <laughs> Franchement, quoi. vraiment. Des fois, moi, je me dis ça, même quand ça ne manque pas. chez toi, partout où tu passes, c'est là. Mais est-ce qu'on vous a mis la pression pour que vous vous mariez C'est une question de temps. Quand le temps est là, ça va venir le bon moment, quand le bon moment sera là, ça, viendra mhm. d'elle-même. Donc on n'a pas besoin Mais justement de... dans la société, qui sont ceux-là qui exercent cette pression C'est les parents, les amis, les Tout hein. connaissances, je ne sais pas. les parents qui exercent cette pression le plus même dans, dans certaines familles, vraiment, c'est les parents. La majorité, c'est les parents, surtout les parents. Après, les amis, surtout quand ils voient que toutes tes amis se marient, mais les, les, amis avec qui tu as fréquenté, elles toutes elle se marie alors que toi tu es là, tu te maries pas. Surtout la famille, la famille. Après vient la société et les proches aussi. Et eh, Fredo, barin dawo gare ka ita ta ce lai faran kai ma a ganin ka kamar iyaye ne kadai ke matsa ko kuma akwai wasu su ma waɗanda ke matsa mutum akan lamarin aure yan uwa hakan ga ko kuma abokanai da sauransu bon <clears throat> quand on dit la famille bon ça peut englober tout il y les parents il y a les amis. Souvent, les amis, nous, nous euh, les amis parlent en blaguant, quoi, mais en réalité, c'est pour, ne pas, c'est pour ne pas dire à la personne que ah, tous tes amis se sont mariés et t'es laissé. Mais en quelque sorte, eux-mêmes, ils font partie de, ces gens-là qui essaient de mettre de la pression. Quoi. Et souvent, eh, on met de la pression, surtout la femme. Donc, euh, en un mot, quand on suit la société du côté traditionnel, c'est dans ce sens-là que les gens essaient de mettre de la pression, quoi. Tout en oubliant que la femme, la fille, elle aussi, elle a son plan de vie, si on peut le dire, son chemin qu'elle essaie de se tracer elle-même. quoi. Farida, à ton avis, qu'est-ce qui peut pousser un père ou une mère, je ne sais pas, à mettre la pression sur son enfant pour qu'il se marie En première version c'est l'âge. Je vois qu'à ton âge, avancé. Il faut que tu te maries. Ou bien la fille de la voisine qui est là à côté. Toutes ses filles sont mariées. Toi, tu es là. Ou bien elles vont à les amis avec lesquels tu as grandi. Elles toutes, elles sont mariées toi tu es là, tu es pas mal. Et elles te mettent la pression. Alors que, même il n'y a pas quelqu'un derrière qui leur dit ni iso et tout ça là. Ah oui, il y a ça aussi. <laughs> ou soit ses soeurs ou bien ses cousines te disent Ah, filano, guiri gore ko a des trucs comme ça. Goyo c'est avec le temps, mais à chaque fois sur le mariage. Des trucs comme ça. Amina qui vient de nous régions, Amina Tamadou Moussa, elle est archiviste. Mina, bonjour. Dans notre émission d'aujourd'hui, on parle de la pression sociale qui pèse sur les célibataires pour qu'ils se marient. Et on demande Bon, la plupart du temps, c'est surtout la famille, les parents je dirais. Et aussi, il y a l'influence des amis. Tu, as, tu vois tes amis se marier, donc toi aussi, tu es là, tu as envie de te marier, tu, tu vois que tes autres camarades sont mariés, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi pas moi donc, euh... Faroua, Denis. Mickey <laughs> Faroua, exactement. Et aussi, surtout, c'est les parents, parce que ils sont là. En fait, même s'ils ne parlent pas, il y a des parents qui ne parlent pas, mais il y a des manières. <laughs> Il y a des manières vraiment, toi-même, tu sens que vraiment tu déranges maintenant. On n'a plus besoin de toi, en fait. On veut, va dans la maison, on veut que tu dégages, vraiment. Donc, euh, je dirais que c'est surtout les parents, bon. L'influence des amis, bon, ça, ça va, c'est gérable, mais pour les parents, là, sai a hankali <laughs> sai a hankali sai kuma wata mata da ta same mu ita ma a cikin shirin namu na yau lalai sanda zuwa ko za ki gabatar da kanki sunana na fauziya to na zo yin saurari bayanin naku to yau je su diyanta. to nana barka da zuwa a cikin shirin namu barka ka dai nana yau muna zancen waɗanda ke matsama mutane a kamar matasan da ake matsama domin su yi aure muka ce wane ne ya fi matsa mutum don ya aure kamar in kika ɗauka cikin sosai mu ban san abokanai ne ko kuma ɗan uwa ne ko iyaye ma to a cikin dai da la ta iyaye dai ne ke matsa ma mutane la plupart uwaye ne ke sama mutane pression <laughs> su dai ne ke samu na pression su ce mi jira wala sai in mu samu baka mi jira après Oncle da tantunoni su ma suna pression. Um, bari in Avec une autre question. Qui du garçon ou de la fille subit le plus de pression? tsakanin samari ko mata wa aka fi Bon, la fille en, grande partie. Pourquoi? Parce que souvent la pression la même, pourquoi on essaie de mettre de la pression? C'est quand tu éduques ton enfant, voilà la voie que tu veux qu'elle suive et qu'elle va de l'autre côté. Dans ce sens-là, vraiment, la pression, elle est bonne de mettre la pression euh, pour qu'elle puisse partir. Au moins, tu seras en paix, quoi. C'est valable pour les garçons aussi, parce que souvent, nous, on se met dans la tête que, bon, voilà, je bosse, j'ai du boulot, j'ai de l'argent. Voilà, je vais. Donc, si jamais les parents savent ce que tu es en train de faire, ils vont essayer de te, remettre sur la voie et tu, mets un peu de la pression pour te marier. Donc, Farida, qui du garçon ou de la fille subit le plus de pressions sociales. Ou bien c'est le garçon qui met la pression sur sa copine, ou bien c'est la fille qui met la pression sur son ah. petit ami pour qu'il se marie. La plupart, c'est la fille qui met la pression sur, sur le garçon pour qu'ils puissent se marier. Oui. Parce que dans la majorité des cas, la fille, elle va commencer à voir que toutes ses amies ont commencé à se marier. Ses amies ont commencé à se marier par-ci, ses cousines ont commencé à se marier par-là. Donc, elle aussi. Il y a certaines filles qui vont pas aller te dire ça directement, mais elles vont faire des, genre semblant Indirect. Indirect, ah, ah oui. Elles vont faire des indirects, soit t'envoyer euh, la date, et euh, la carte du mariage de celle-là, ou bien soit t'envoyer les uniformes par-ci. En réalité, c'est pas pour t'inviter ou bien pour te. Non, c'est juste pour te dire que ah, une telle se marie. Donc, c'est le. C'est le moment aussi pour nous qu'on se marie. Mm-hmm. Comme eh, Farida, l'autre Farida vient de le dire, la personne, tu vois, tes amis sont en train de se marier. Il y a des amis. Ah, toi là, quand est-ce que tu vas te marier S'il y a une fille qui se marie dans votre groupe, une fois que vous partez chez elle pour le rendre visite, ah, vous là, quand est-ce que vous allez Comme si c'est pas, c'était pas hier, elle s'est mariée, elle. Je vais même dire à vos copains de venir vous prendre. Qu'est-ce que vous attendez Depuis là, vous n'êtes pas mariés. Machin, machin, machin. Des trucs comme ça là. Et puis voilà. Il y a aussi le côté de la famille. Chaque jour, chaque, je peux je vais vous donner un exemple. Chaque samedi, tu fais une forme, tu pars en mariage. Tes parents vont dire, hey, toi là, chaque fois, tu pars en mariage. Toi là, quand est-ce que tu vas te marier <laughs> Même si n'est pas ta propre mère qui te dit ça, une tante ou quelque chose comme ça, une grande soeur ou un grand frère te dit ça. Ils vont te balancer ça. la, par, par blague ou quelque chose comme ça, mais ça fait mal. Ça fait mal. On te dit, ah, chaque samedi, toi, tu es chez mariage de quelqu'un, tu es mariage, tu as un mariage, tu as un mariage. Mais quand est-ce que pour toi ça va venir Oui. et que nous on vient manger pour toi mina farida ta ce yan mata aka fi matsama to ki a ganin ki wa aka fi matsama yan mata ko samari ko kuma samarin ne ke matsama yan matan su ko yan matan ne ke matsama samarin su yan mata dai yan mata dai ga matsama samari kamar yadda waga ta hodi da farida la sage femme comme elle l'a dit yadda ta hodi exactement c'est mace ce aka yi matsama les parents que ça soit les parents les tantes su suke matsawa comme elle l'a dit, ils sont là, suna tambaya cikin ke yaushe zaki arme ke miki ke ne menene wance ko ana arme ke ko shaku weekend ke ban da ke c'est surtout la fille. Et eh, c'est aussi la fille, ma tchétché, comment est-ce qu'elle m'a ma samarine, parce que voilà, elle veut se marier, voilà. Et t'as ma tchami chakai. On peut dire, ok, fa, qui est-ce qui est gagné à ma samarine? ma tchétché, c'était pression. Parce que, à dans un sami qui pression, qui est ma tu obligé qu'ils ont qui sa pression a ce qui surtout in kai kadai kai saura a cikin gida mace kwa shakufuwa kenan an ta shiga wai sai ce kai me kake jira a sa maka preso eh dofuwa a wanda da iyaye in ma ka kawo sai su ce bai yi musu ba loga ne leva pa kenan ilfo ke ka sake in ka kawo garin so ta ce bai yi ba eh kuma ya dai faran ki fonsa sai su ce kuma bai yi musu ba <laughs> kenan doctor oblige kuma ka sake kafin mu ci gaba da shirin namu za mu jaye mu baiwa lai girls du studio kalangu fili tare da shirin nan nasu la rubric rose Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fins sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Coucou les filles, comment allez-vous Dans la rubrique Rose de ce samedi, nous aurons quelques astuces de beauté avec les produits de nos cuisines. Ça sera avec moi, Mariam. Puis dans l'espace euh, santé et bien-être avec moi, Ruki, on vous fera découvrir l'importance de l'hydratation du corps. Et enfin, en cuisine, nous découvrirons quelques idées qui facilitent la vie. Et c'est avec moi, Fanta. Coucou fidèles auditeurs et auditrices, aujourd'hui je vous ai concocté les astuces beauté suivantes. Le masque au miel, il sert à repulper le peaux fatiguées un peu froissées sur un visage bien nettoyé. Repartir deux cuillerées à soupe de miel pur en évitant les yeux, le nez et la bouche. Laissez poser 15 à 20 minutes puis passer un petit bain de vapeur sur le visage et nettoyer à l'eau claire. Le coup d'éclat du citron. Le citron éclaircit le teint et resserre le peau un peu dilatée. Comment Presser un demi-citron, filtré pour retirer la pulpe, ajouter deux cuillerées à soupe d'eau minérale, passer avec un coton sur le visage démaquillé, laisser agir une à deux minutes avant de rincer à l'eau. Le secret de la tomate. Elle régule le pot grasse. Découper une tomate en fines tranches et poser sur le visage nettoyé. En évitant le contour des yeux, laisser agir 15 minutes. Alors moi, le citron, oui, j'ai déjà utilisé du citron. Bon, moi, le citron, ça ne va pas à ma peau. Ma peau est assez sensible, mais le miel, ma peau adore. Ok, Ruki, tu peux toutefois utiliser la tomate. Hein. Désormais, ça sera la tomate. Bonsoir les amis, dans l'espace santé et bien-être d'aujourd'hui, nous allons parler d'hydratation du corps. Nous buvons tous régulièrement de l'eau et toute autre boisson pour nous rafraîchir ou étancher notre soif. L'importance de ces liquides va au-delà. Elles hydratent le corps et l'organisme. Mais quelle est l'importance d'hydrater son corps Alors, mes petites recherches sur le net par-ci par-là me permettent aujourd'hui de répondre à cette question. S'hydrater permet de préserver sa santé. Tout le monde est conscient de cela. Ce que nous savons peut-être moins c'est combien l'hydratation est garante de notre équilibre physiologique. Tout d'abord, elle élimine les substances toxiques du corps. L'hydratation permet aussi de réguler sa température. Elle joue un rôle majeur euh, dans le maintien d'une température constante à l'intérieur du corps et plus encore en cas de fièvre. Comment bien s'hydrater Buvez sans attendre d'avoir soif. Donc, euh, vous pouvez aussi varier euh, les sources d'hydratation. Boire de l'eau nature n'est pas forcément facile pour, pour nous tous. Il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs. Vous pouvez euh, prendre des tisanes, des soupes, des bouillons, du thé, du café et j'en passe. Vous pouvez aussi manger des fruits et des légumes. Certains contiennent plus de 90% d'eau. Pensez notamment à la pomme, au melon, à la tomate, au concombre. Personnellement, j'adore les fruits. Et vous ah, On adore tous les fruits. Par contre, pour boire de l'eau, j'en bois oui quand j'ai soif, mais euh, j'abuse pas. Il faut abuser. Euh, L'excès de tout est nuisible sauf l'eau. Hein. tes astuces. <laughs> <laughs> Coucou les filles, c'est Fanta. Bienvenue dans l'espace cuisine. Aujourd'hui, on va parler de quelques astuces intéressantes à connaître en cuisine. Astuce numéro 1 ne rincez pas les pâtes. Lorsque vous rincez les pâtes, le goût et l'amidon naturel qui aide la sauce à coller sur les pâtes partent avec l'eau. C'est pour cette raison que certaines recettes suggèrent de récupérer l'eau des pâtes pour faire la sauce. Astuce numéro 2, la cuisson des œufs. Et pour cela, le sel est votre meilleur ami. Vous voulez que la coquille de vos œufs durs se détache en gros morceaux plutôt qu'en millions de petits fragments. Ajoutez une cuillère à café de sel, soit 5 ml, à l'eau avant d'y plonger les œufs. Dernière astuce du jour, comment dégraisser une sauce. Mettez des glaçons dans un tissu bien propre et placez-le dans la sauce. La graisse deviendra ferme et se retirera bien plus facilement. Fanta, pour ton astuce euh, des pâtes, là, personnellement, euh, j'aime pas que mes pâtes se collent. Donc, moi, je rince toujours. Bon, Tout après tous les goûts ne se discutent pas. Exactement. Donc, euh, c'est tout pour la rubrique rose d'aujourd'hui. On espère bien que toutes ces astuces vous serviront dans votre quotidien. Dansons sur Ancré de Emma pour clôturer cette rubrique. On se dit à demain pour d'autres astuces. Je, t'aime trop, ça devient Sans trop d'efforts, tu m'as fait Et ça devient les d'envisager un lendemain sans toi. Je perds le nord je suis pas dans tes bras. Si c'était ta refaire, je choisirais. sommes de retour dans votre émission Tous à la Fada inda yau muka yaya da zango a nan cikin filin studio Kalangu muke tattaunawa akan maudu'in namu la pression sociale sur les jeunes célibataires pour qu'ils se marient et comment ces derniers vivent cette situation. Donc on va continuer avec nos questions. Bayan abay baya kaɗan mun ji suwaye aka fi matsa ma yanzu zamu ci gaba da tattaunawar tamu yanzu abin da nake son sani shine wa'anne dalilai ne ke sa a dinga matsa mutum ya aure. fauziya ga da ke zan fara mine ne ke sa ana matsa mutum da yin aure to wannan kuma <laughs> kamar ba a san mutum ya lalace ne ko kuma mine ne ke sa a sa mutum to dofu a gani suke yi mutum ya kai arme dofa kuma ba a san mutum ya lalace da la société d'aujourd'hui akwai abokai da kullum kuna tare in kuna tare ya dejan ke su na kwarai ne akwai inda ko kullum isola don su lalata maka rayuwa eh don kuma yanzu mazan yanzu ya da zomki sun fa tuwo fidel kwa suna nan tare da kai bulayen antere kenan in sun yi dashi sani kawai waye il prefer ke in ka samu kai arme ka tai yahi ruhin asiri kenan yahi ruhin asiri C'est Greka Fredo. Fredo, quelles sont les raisons qui peuvent à mettre la pression sur les jeunes pour qu'ils se marient Eh bon, c'est la débauche. C'est pour éviter la débauche. C'est pour éviter la débauche en fait. C'est regrettable de voir nos jeunes sœurs, elles ne font rien de sérieux dans la vie, et qu'on les voit par-ci, par-là, donc ça fait mal. Vaut mieux se marier et souhaiter que la personne va en paix. Cikin raha siri quoi. Parce que abun bai da dadi ake ga iya mace da da darajanta kwa tana bin waɗansu sha'anin duniya tana bata ta kwa fredo ya ce darajar ya mace aure ko mina barin shiyo gare ki waɗanne dalilai ne ke sa a dinga matsa mutum don ya aure kamar yadda sunanta ya fauziya ta faɗi eh, zan ce kawai don ruha ma mace asiri ne ka ta lalace c'est surtout à cause de ça la mère les parents c'est eux qui mettent la pression donc euh, en tant que mère elle veut juste protéger tana so ta ruha ma diyarta asiri kar ka mata ta et moi, je dirais que c'est surtout pour ça. C'est surtout pour ça. Et aussi, à l'âge, comme l'a dit Farida. Il y a l'âge aussi. Maintenant, mace da 30 ans, babu, yanzu aka ana fara magana. Maintenant, même 25 ans là, les gens vont commencer à jaser. Pourquoi elle a tout, jusqu'à présent, elle n'est pas mariée et aussi, si, par exemple, si tu as une, une, soeur, une petite sœur qui se marie, alors là, tu es foutu. <laughs> <laughs> toi, à ton avis, quelles sont les raisons qui peuvent pousser euh, la société à mettre la pression sur une personne pour qu'elle se marie Je rejoins ce qu'elle vient de dire maintenant. Comme elle a dit, l'âge vraiment. Bon, à part l'âge aussi. Surtout quand il voit que tous tes amis ou bien tous tes proches se marient alors que toi, tu es là. Alors que c'est pas que le mariage, c'est une question de temps. Quand le bon moment est là, là ça, ça va venir ça va venir d'elle-même. On n'a pas besoin de te mettre la pression ou bien te mettre dans des dépressions jusqu'à tu vas tu vas partir faire quelque chose que tu que tu vas regretter après. C'est juste une question de temps. Quand le temps est là, ça viendra d'elle-même. To naji yanzu ke fauziya a ganin ki ya kamata mutum ya aure don an matsa mishi kamar mutane kullum suna cewa ke mi ke jira ki aure da dai sauransu ya kamata ki aure mai don kirfe musu baki wannan ba a iya cewa mutum dole dole zai arme dole la personne va attendre le temps har lokaci ya zo in lokaci ya zo don kutu va passe in ana maka magana min si on te la pression in ka samu wanda kake so ba zaka samu pufon da yan von foyer ka samu kwanciyar hankali ka yi arma bai kamata ba parce que bata rayuwa ka ka pour rien du tout. Mais amma in ka tant que le temps viendra c'est ka armanka. Fredo, à ton avis, est-ce qu'on doit se marier à cause de la pression là? par exemple donc ka ce bari inya yi armen ma ni sun sha min ka in yi arme dan in musu baki ah souvent on peut se marier dans la pression, parce que vous savez le monde actuel est gâté par le matériel mais est-ce qu'on doit le faire non, on ne doit pas. On ne doit pas le faire par, dans la prison parce que moi, présentement, j'avais voulu le faire et j'ai été dans le cas. Avant de me marier, j'avais même doté une fille au finish. J'avais même renoncé. Et c'était un an après que je me suis marié à cause de ça, à cause de la prison. Je l'ai doté, je mettais la prison pour que, le, pour que le mariage ait lieu. Donc juste après la dot, la fille faisait gauche-droite. Donc j'ai préféré me retirer. J'avais même voulu décider de ne même plus me marier. Et un an après, quand le temps est venu, voilà, je me, je me suis marié. vraiment, la prison, il ne faut rien faire de la prison. C'est vraiment pas bon. Mhm. Parce que tout ce qu'on fait avec euh, précipitation, là, au finish. kamar yadda kuka sani masu sauraron mu fadar tamu ana yi ne ana shakatawa yau wanda za mu saurara shi fa ba matsa masa aka yi aure ba shi da kanshi ya ga dama ya ce baba a yi mishi aure wato auta amshi bo kenan. ina son aure da za ki bani dama da za ki bani dama mai tsona ki ce da ni yau na kawo kudin aure na mm, da na fi sai a kuna zan je gurin ubana Assalamu alaikum mahaifina Yau na zo ne mun yi magana oh, oh. Magana ce ta rayuwa na Kusa da kai zane zauna Allah sarki babana yi mini aure baba a yi mini aure a yi mini aure baba a yi mini aure a yi mini aure baba na isa aure a yi mini aure baba na isa aure duba ka yi mini aure mm, in baba ya ki mini aure zan tashi ne da sauri ta ta bi aure mama na zo gurin kike ma ki sani magana ce ta baya yau zan yi tuni masauraran mu bari mu ci gaba da gabatar muku da shirin namu wato shirin mu hada fada akan maudu'in namu na yau la pression social sur les jeunes célibataires pour se marier et comment ces derniers vivent la situation kamar yadda na faɗa yau mun da zango ne a nan cikin filin studio kalangu inda muke tattaunawa tare da manyan baƙi mu sai tambaya ta ta gaba wai mi mutum ke shi da ana matsa mishi mina mi mutum ke shi da ana matsa mishi kamar cikin wani irin yanayi mutum ke shiga idan ana matsa mishi in ana matsa ma mutum babu daɗi eh, en fait la pression c'est pas bon babu daɗi ko kaɗan takan sa ka kai yi abin da baka yi niyya yi ba kamar yanda wanga ya haɗi ɗazu Fredo ko ya ce ya une fille là qui lui avait mis la pression et eh, ya ce sai da kai kuɗi mais en fait il voulait pas le faire mais il était obligé, hier est Bundabaiso. Donc, moi, je pense que quand tu, on a ça, pression, tu vas faire quelque chose que tu vas regretter après. Vaut mieux même pas. Vaut mieux pas. Farida, quels sentiments peuvent animer une personne qui subit euh, de la pression Une personne qui subit de la pression, vraiment, ça peut lui, porter, ça peut lui porter un truc jusqu'à... Elle va se sentir gênée, elle va se sentir mal vue par la société, oui, par la famille aussi. Parce qu'à à, force de te mettre tout le temps la pression, la pression, la pression, un jour, tu seras obligé de faire un truc qui qui va pas te plaire après ou bien que tu vas regretter après. Donc, franchement, parler pour moi, la pression là, ça ne sert à rien de mettre la pression. Parce que moi, je me dis, avant de mettre la pression sur quelqu'un, toi-même, regarde-toi, si c'était toi, on te mettait la pression là, est-ce que ça allait te plaire Même toi, ça va pas te plaire. Donc, pourquoi mettre la pression sur les gens comme ça Faut aussi, hein. tambayar mu ita ce mi mutum ke shi idan ana matsa mishi cikin wani irin yanayi mutum yake iya shiga idan an matsa mishi an sha mishi kai wallahi mutum inda an matsa mishi mutum yana shiga cikin damuwa wa'ansu hamma neman suke yi su bar gidajen su su sa damuwa cikin zuciya su kullum dai ga suna ilson frustrate sun zama stress dai thank you to levo to sanke basu nan gajin daɗi cikin zaman su na rayuwa kwa Donc, babu daɗi ana sama mutum pression gaskiya. Amina, toi, à ton avis, est ce que tu as pu observer dans la société, est-ce qu'il y a une certaine limite, d'âge à partir de laquelle hum, la pression pèse plus sur la personne Et personnellement, je dirais que en âme et conscience toi-même, à partir d'un certain âge, je veux prendre exemple quoi 24 hum, ans. En ce temps-là, toi-même personnellement, tu veux vraiment te marier. Et aussi, la, la société, j'ai remarqué qu'à partir de cet âge-là, les gens vont commencer à parler. Les gens vont commencer à parler. Donc, de 25 ans jusqu'à 30 ans. Ah, quand c'est 30 ans, là, c'est... <laughs> Là, c'est vieille fille. Hein. Karma. Karma. ya a to akwai shekaru paske in mutum ya kai shekara 25-24 ana sama mutum presiyon a ce wa'yansu mace ake sun yi kwantai ne tun da hawan ga ashikin ba su yi armi ba kenan yanzu nan ga ya kaga mutum ya kai shekara 20 ma bayan mace ake yayi kwantai ne eh an fahimma dernier question avant de clôturer um, fauziya ya ya kamata mutum ya yi idan ana matsa mishi kamar mm, menene mutum ya kamata ya kyale ko kuma ya kamata ya amsa ma masu taimaka maka yaushe za ka yi armin nan da sauransu. mutum bai iya amsawa parce que deux fois mutum uwayen shi ne ke mishi pression ko tantunonin shi kenan donc la personne il est obligé mutum ya yi shiru ya yi hankuri mi dole parce que ça fait mal akwai ciwo kenan dole zaka hankuri ka jira lokaci ka shanye ka sharuwa. ka shanye ka sharuwa. <laughs> et tu ta vie quoi Mais en que pression que tu commences à voilà c'est voilà cela comment gérer toute cette pression et quoi répondre à toutes ces questions de la société tu t'es marié quand et tout ça moi je me dis qu'il faut continuer sa vie hein, en toutes choses et attendre le temps vraiment parce que même quand tu vas mettre la, la pression à la personne avec qui tu es en couple là des fois là il y, a les gens qui fuient hein. Après ça, il y a des gens qui fuient. Après ça, il y a des gens que tu ne vas plus revoir. Hein. Ou bien il y a des gens qui vont te dire karma, une telle, moi je ne peux pas, maintenant je ne suis pas prête. Si tu trouves mieux, il faut aller. Moi, pour le moment, je ne suis pas prête. Et d'autres aussi qui vont te dire, bon, si tu peux attendre, tu attends. Si tu ne peux pas, c'est bon, on arrête tout maintenant. Donc, c'est pas à cause de leur pression que je veux me mettre la pression, vouloir faire des choses que je veux regretter après. Parce que moi, je me dis, dans une histoire de mariage, là, on ne doit pas vraiment faire des erreurs. Amina, comment gérer toute cette pression c'est tout eh, il faut attendre am la journaliste Farida, comment gérer toute cette pression Et quoi répondre à toutes ces personnes-là qui, qui nous Comme l'a dit la grande soeur là, Nina, euh, il faut faire comme si tu n'entends pas ce qu'ils disent. Ignore-les. Parce que toi-même, tu sais ce que tu veux. Par exemple, si on me met la pression, on me dit de me marier. Bien, sûr que je vais ignorer. Parce que ce n'est pas moi qui vais aller dire à la personne, viens m'épouser. S'il s'agit des parents, on consomme, on boit de l'eau, on ne sait pas. Donc, euh, avant de clôturer, nous allons d'abord accueillir Olivier et sa chronique du jour. Salut les amis de la FADA. Pour ce début de mois, je ne peux que vous souhaiter beaucoup de force, le trop plein d'énergie et beaucoup de santé. Eh bien, dans la chronique de ce soir, nous allons parler des réseaux sociaux et nous. Nous sommes nombreux, je dirais même très nombreux, à être présents sur les réseaux sociaux. Si beaucoup savent pourquoi, ils ont créé leur compte, euh, soit sur Facebook, WhatsApp ou Twitter. Dans la pratique, il y en a autant qui ont l'air de ne pas savoir pourquoi ils sont sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, toi qui nous écoutes ce soir, peux-tu nous dire pourquoi tu as créé ton premier compte Facebook Qu'est-ce que cela t'a apporté de plus d'être sur les réseaux sociaux pourquoi tu dépenses autant d'argent dans les données mobiles afin d'être sur les réseaux sociaux. Alors que nous savons tous combien c'est difficile d'avoir de quoi payer du pain ou du dambou. Vos réactions nous intéressent et nous serons heureux de vous lire sur les réseaux sociaux du studio Kalangu. Postez simplement vos messages avec le hashtag chronique d'Olivier. Nous poursuivons donc cette chronique en rappelant encore une fois aux uns et aux autres que les insultes, les photos dénudées, les partages des contenus sévères ne font pas du bien ni à l'internaute qui est à l'origine, ni au lecteur. Amis auditrices et auditeurs, si ailleurs plusieurs programmes d'éducation aux réseaux sociaux naissent, c'est justement pour prévenir les jeunes sur les dangers d'Internet. Mais malheureusement au Niger, nous avons déjà plusieurs défis à relever. Donc cela ne paraît pas être à l'ordre du jour. Pour conclure, sachez seulement quoi vous écoutez sur les réseaux sociaux. Sachez quoi vous partagez sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas que tout ce que nous publions aujourd'hui sera soit un argument de défense ou une preuve de culpabilité dans notre monde de demain. Ça va vite, les réseaux sociaux, et ce n'est pas ça la vie, disait le rappeur Lefa dans son single New Life sorti en mars 2022. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique, encore une fois plus palpitante. Merci Oli. Et oui les amis, tout ça la fada c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Notre thème d'aujourd'hui, c'était la pression sociale sur les jeunes célibataires pour se marier et comment ces derniers vivent cette situation. Manyamba bakin namu na fada akwai Farida la journaliste. <laughs> Farida la sage-femme, il y avait Mina, Amadou, Nana Fauzia et Fredo Mamadou. Kamar yadda suka faɗa shi aure lokaci ne ba dole ba shi. amma kuma matsa maka idan lokacin bai zo ba ba za ka yi shi ba merci à tous de voix suivi sai kun gobe da Allah ya kai mu na da za mu dawo muku da wannan jigon amma za ku ji komi irin wannan matsalar ke iya haifarwa ga matasa amma kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalau